fàjji bëkk njaxeer nek fi si suñu dex gi di dox di dëgër di ñaan yalla ñu gor góorgóorlu ci dex gi bañ décourager xamni loy liggéey lu né njariñ da la la ci fekk di ñaanal Sénégal ñu gëna gor gorlu mo ngi ñaan kaar Afrique bi yal na si def jamm yalla def ci déggoo ñi koy saytu yalla jappalé len ba lepp luñ ci yéene yalla yeggale ko dana fekkee ko total ko njëriñ liñ sam yàlla ko bokk ñu ñëpp ngi ci àdduna am na lu ko marqué messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la RTS 20h, le journal. Voici les titres. Fête de l'indépendance, les couleurs nationales occupent petit à petit le décor à la place de l'obélisque. À quatre jours du premier défilé civil et militaire, depuis l'accession du président Macky Sall au pouvoir, l'espace est l'objet de toutes les attentions. Ce soir, nous démarrons une série de reportages focus sur le service civique national et sur la base navale d'Elinquin, fief des commandos marins. Et puis l'autisme, une maladie psychiatrique dont on parle peu au Sénégal. Ce soir, dans la rubrique santé, nous allons mieux faire connaissance avec cette pathologie, prise en charge, service d'accueil, traitement, tout sur ce facteur de repli sur soi. Journée de lutte le 2 avril prochain. Bonsoir à tous. Nous démarrons ce journal par la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni au Palais de la République au Maroc. Le président Macky Sall a réuni le Conseil des ministres ce mercredi 30 mars 2016 à 10h au Palais de la République. Entamant sa communication autour de la célébration le 4 avril 2016 du 56e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, le chef de l'État demande au gouvernement de veiller à la bonne organisation du grand défilé civil et militaire qui aura lieu sur le boulevard du Général de Gaulle ainsi que des autres manifestations prévues à l'occasion de la fête de l'indépendance sur l'ensemble du territoire national et au niveau de nos missions diplomatiques et consulaires. Le président de la République invite les populations, particulièrement les jeunes, à participer dans la communion aux différentes festivités pour marquer l'attachement patriotique des citoyens à la consolidation de l'indépendance et du rayonnement international du Sénégal. Abordons l'impératif d'asseoir une politique sportive pluridisciplinaire, exemplaire et performante, le chef de l'État renouvelle ses félicitations aux équipes nationales de basketball, de handball et de football et rappelle que le développement du sport dans toutes les localités du Sénégal reste une priorité majeure. À cet effet, il demande au gouvernement de prendre toutes les diligences requises en vue de réhabiliter le sport scolaire et universitaire, de poursuivre et d'intensifier le programme national de réalisation d'infrastructures sportives multifonctionnelles de mettre en place un nouveau cadre de gouvernance du sport national avec notamment la signature systématique entre l'État et les fédérations sportives de contrats d'objectifs et de moyens. Concluant sur ce point, le président de la République rappelle au gouvernement la nécessité de veiller en rapport avec le Comité national olympique et sportif sénégalais CNOS à la bonne préparation des athlètes sénégalais en direction des Jeux olympiques d'été de Rio de Janeiro au Brésil et demande au Premier ministre de présider une réunion spéciale sur la participation du Sénégal à cette importante compétition internationale. Poursuivant son propos autour du soutien de l'État au développement du théâtre sénégalais, le chef de l'État saisit l'occasion de la célébration le 27 mars 2016 de la journée mondiale du théâtre pour rendre un vibrant hommage à nos artistes comédiens, notamment ceux arrachés à notre affection, pour leur contribution remarquable au développement socioculturel du Sénégal. Il félicite particulièrement les pensionnaires du Théâtre national Daniel Sorano et leur exprime la reconnaissance de la nation pour le travail exemplaire accompli depuis la création de ce haut lieu de culture. Le président de la République indique également au gouvernement la nécessité d'assurer une formation adéquate de nos comédiens, de mettre en place un système de financement adapté de la production et de la diffusion de pièces de théâtre qui s'inspirent de notre histoire, de notre diversité culturelle, de nos valeurs traditionnelles ainsi que des œuvres littéraires et épopées sénégalaises et africaines. Enfin, le chef de l'État exhorte le gouvernement à mutualiser les fonctions du Théâtre national Daniel Sorano et du Grand Théâtre national, à adopter une nomenclature officielle des métiers liés aux arts et à la culture et à préparer un projet de loi d'orientation et de promotion des arts et de la culture en vue de faire de ce secteur un puissant levier du Sénégal émergent et du Sénégal une plateforme une internationale de référence. Le président de la République a clos sa communication sur son agenda diplomatique et le suivi de la coopération. Le Premier ministre, dans sa communication du jour, a rendu compte de la coordination de l'activité gouvernementale. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait le point de la situation africaine et internationale. Le ministre de l'économie, des finances et du plan a fait le point de la conjoncture économique nationale et internationale. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement Rural a fait part au Conseil de la préparation de la campagne risicole de contre-saison et du suivi de la campagne de commercialisation arachidière. Le ministre du Travail, du Dialogue social, des organisations professionnelles et des relations avec les institutions a rendu compte des travaux de la commission mixte de sécurité sociale entre la France et le Sénégal qui s'est réunie à Paris du 21 au 23 mars 2016. Le ministre, auprès du président de la République en charge du suivi du plan Sénégal émergent, a rendu compte de l'état d'avancement des différents projets et réformes. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Le projet de décret portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de la délégation générale du pèlerinage au lieu saint de l'islam. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. Madame Deiti Kenyai, ingénieure en technologie générale halieutique, précédemment inspecteur des affaires administratives et financières, IAAF, est nommée secrétaire générale du ministère de la Pêche et de l'économie maritime en remplacement de M. Moustapha Ali, appelé à d'autres fonctions. M. Dien Ndiaye, ingénieur des pêches et aquaculture, est nommé directeur des industries de transformation de la pêche en remplacement de M. Dien Fai, appelé à d'autres fonctions. M. Dien Fai, docteur vétérinaire océanographe, précédemment directeur des industries de transformation de la pêche, est nommé inspecteur technique au ministère de la Pêche et de l'économie maritime. M. Mahmoudan Jawar Diop, docteur vétérinaire, est nommé inspecteur technique au ministère de la Pêche et de l'économie maritime. M. Kanyura Dramé, économiste, est nommé inspecteur des affaires administratives et financières au ministère de l'intégration africaine, du NEPAD et de la promotion de la bonne gouvernance. Dr Cheikh Amadou chirurgien dentiste, titulaire d'un master en management des établissements et services de santé, précédemment chargé des outils du contrôle et de l'audit du service de d'odontostomatologie de l'hôpital général de Grand Yoff, est nommé inspecteur technique de santé au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Docteur Fay, pharmacien, tutulaire d'un master en gestion des établissements de santé, précédemment en service précédemment donc en service au centre hospitalier universitaire de Fan est nommé inspecteur technique de santé au ministère de la Santé et de l'Action sociale. M. Sen, planificateur, précédemment agent vérificateur à la Direction centrale des marchés publics du ministère de l'économie, des finances et du plan, est nommé inspecteur de santé au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Enfin, Dr Youssouba médecin, précédemment chef du service de prélèvement, de la préparation, de la conservation et de la distribution des produits sanguins, labiles au Centre national de transfusion sanguine, CNTS, est nommé inspecteur technique de santé au ministère de la Santé et de l'Action sociale. C'est signé le ministre porte-parole du gouvernement merci pour la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi au Palais de la République. Le Pakistan va renforcer sa coopération militaire avec le Sénégal, déclaration du ministre pakistanais de la Défense, Rana Hussein Tanver, euh, après son audience avec le président de la République. L'hôte du Sénégal a évoqué avec le chef de l'État la visite qu'il vient d'effectuer dans notre pays. Le voici. Uh, uh, Uh, uh, il se réjouit de la visite d'être reçu par le président de la République, qu'il remercie, et remercie aussi le ministre des Forces armées, et remercie toute la population de Dakar et du Sénégal en particulier. Cette visite a été très fructueuse parce qu'avec le président, ils ont eu à discuter de, la coopération et surtout de la coopération militaire que les deux pays peuvent avoir. Et il se réjouit que cette coopération puisse avoir des fruits dans un futur proche parce que les deux pays sont disposés à avoir cette coopération et à, être, à l'étendre. Donc il serait très heureux que les deux pays aient cette coopération et qu'il fera de son mieux pour que cette coopération aille de l'avant. Et puis la France euh, se dit satisfaite euh, du résultat du référendum. Le secrétaire d'État chargé du développement et de la francophonie l'a dit, c'est visite euh, parle d'une démocratie exemplaire. Euh, d'autres sujets liés au développement et à la lutte contre le terrorisme ont été également évoqués durant cet entretien. Le voici au micro d'Oumarning. J'ai tenu à venir euh, au Sénégal pour ma première visite en Afrique parce qu'entre le Sénégal et la France, comme je l'ai dit à Monsieur le ministre des Affaires étrangères que j'ai vu à Paris, il fut d'ailleurs le premier ministre africain à venir me rendre visite, entre le Sénégal et la France, c'est plus qu'une histoire d'amitié longue, c'est une histoire d'amour et d'amour très fort. Donc euh, je tenais à cette première visite euh, au Sénégal. Le président Macky Sall m'a fait l'honneur de, m'accorder un entretien. J'étais accompagné de monsieur l'ambassadeur Paganon. Les choses se sont très bien passées. Nous avons évoqué des sujets euh, aussi divers et importants que la menace terroriste, que le développement économique, bien sûr, du Sénégal, les projets que cofinance la France par l'intermédiaire de l'Agence française de développement. Nous avons évoqué l'accord de Paris sur le climat et la signature de l'accord de Paris qui va avoir lieu à New York. Le président euh, Macky Sall sera à New York où il retrouvera le président Hollande et d'autres chefs d'État. Bref, un entretien très constructif et très chaleureux. Nous sommes très heureux de voir que le Sénégal euh, est toujours aussi exemplaire sur le plan démocratique. Euh, nous avons pris acte avec beaucoup de satisfaction du résultat du référendum qui fait progresser à nouveau le Sénégal sur la voie démocratique. Nous sommes très heureux de ce résultat et puis sur le plan économique, nous sommes aussi euh, très satisfaits de voir que le Sénégal a, a choisi le bon chemin, celui du développement durable. Le président Macky Sall est très sensibilisé aux questions euh, d'environnement. Nous avons parlé d'énergie, d'énergie solaire notamment. Et j'ai euh, dit à quel point la France avait été heureuse de pouvoir compter sur l'appui du Sénégal lors de la négociation qui fut difficile de l'accord de Paris sur le climat. Enfin, sur le terrorisme, la coopération entre les deux pays est étroite. Elle doit l'être plus encore demain parce que la menace est là, toujours plus prégnante. Donc sur tous ces sujets, euh, économie, sécurité, environnement et puis diplomatie, bien sûr, entre le Sénégal et la France, c'est une amitié forte, c'est une relation importante et je suis très heureux d'être là ce soir après cet entretien dont, je me félicite, dont je ferai un compte-rendu détaillé au président Hollande. Dans ce journal en invité, le directeur général du CETUD, euh, Alune Tiam. Monsieur Tiam, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes là pour nous parler euh, de cette actualité euh, que l'on connaît. C'est votre projet pôle d'échange que vous voulez implanter justement à Grand Médine. Et l'on parle de des populations. 160 maisons, plus de 160 maisons sont concernées. Est-ce justement la réalité de ce projet ce n'est pas exactement la réalité. Euh, il y a un projet effectivement de BRT, un bus à haut niveau de service que l'on souhaite implanter ici à Dakar pour justement améliorer les conditions de déplacement des Dakarois. Tout le monde sait que dans cette localité, il y a certes des compagnies qui sont là, comme Dakar Demdik, les Aftu, Petit Train de banlieue, mais aujourd'hui cette offre-là n'est pas en mesure de satisfaire les demandes de transport il faut anticiper. Aujourd'hui, nous sommes 3 500 000 habitants et en 2030, nous serons 5 millions d'habitants. Si on n'anticipe pas, alors il sera impossible de circuler correctement à Dakar. Déjà, nous connaissons les problèmes que nous avons. Alors, ce projet de transport rapide avec des bus euh, veut véritablement mettre en place un système de transport de masse qui répondra justement aux besoins actuels mais futurs. Cela nécessite effectivement euh, véritablement des, des, des emprises pour ces pôles d'échange qui sont là pour permettre euh, aux véhicules particuliers, aux taxis, aux transports en commun, de venir alimenter le système de BRT qui sera le système de transport de masse à implanter. Euh, ce système euh, va offrir de la commodité, hein, beaucoup de commodité, du confort, de la rapidité, de la sécurité et permettra peut-être même à des cadres de laisser leur voiture particulière pour prendre ce type de transport, comme cela se fait dans certains pays modernes. Ça, c'est les objectifs du, projet. Ça va nécessiter une superficie de combien de d'hectares, euh, justement euh, Justement, au niveau de Grand Médine, où on a voulu implanter ce pôle euh, d'échange, il y a environ 1 hectare 7 qui sont nécessaires pour implanter ce pôle d'échange. Aujourd'hui, c'est juste cette intention qui est là. Maintenant, il va falloir faire, le, disons, le recensement, les enquêtes nécessaires pour savoir combien de maisons sont effectivement impactées, qui sont impactées, et ensemble avec les populations, continuer la concertation qui a déjà commencé, contrairement à ce qui se dit. Euh, nous avons fait euh, un comité régional de développement sous l'égide du gouverneur de Dakar, deux CDD, euh, des comités départementaux de développement, à Dakar et à qui sont les deux départements qui sont impactés. Et ensuite, il y a eu une concertation avec les populations, notamment de Grand Médine, là où il y a des populations qui pourraient être impactées. cela se fait une, environ 70 personnes, dont les imams, des délégués de quartier, des représentants des populations, à qui on a expliqué ce projet. C'est retombé pour les populations parce qu'il y en a, au-delà de la facilité de déplacement des Dakarois, il y a aussi des emplois à créer dont bénéficieront très certainement ces populations-là pour les biens fondés qui font que euh, dès les premières concertations, on a senti une adhésion. Ça, je le dis ici haut et fort. Une adhésion des populations qui ont juste demandé si cela devait advenir, qu'elles puissent être, euh, disons, relogées dans les environs immédiats de leur zone de résidence actuelle, c'est-à-dire dans la commune de euh, pas patois. Alors, quand vous dites Grand Médine, c'est exactement où euh, On sait que c'est un grand quartier. Euh, c'est exactement où est-ce que vous avez ciblé d'implanter ce projet Oui, c'est ça se situe, disons, au croisement avec la route des Niailles et celle qui débouche du stade de l'amitié parce que nous sommes dans ce quartier, qui est un quartier spontané irrégulier. Rappelons-le encore une fois, en cours de restructuration par la Fondation Droit à la Ville, donc le ministère de l'Urbanisme. Et c'est avec cette euh, structure que nous faisons actuellement pour le recensement nécessaire et les, euh, disons, études d'impact environnemental pour voir qui sont impactés et comment est-ce qu'on doit traiter ces populations-là. Alors pour l'heure, il n'est pas question de déguerpir. Vous êtes en phase de concertation euh, Exactement. c'est la phase de concertation d'études. Rien n'est encore figé. On ne sait pas exactement qui s'est touché et on va y aller et mesurer aussi l'impact de, cette, euh, disons, de, ce projet sur les populations, voir si cela devait advenir, comment les, euh, disons, traiter de façon équitable et véritablement responsable en relation avec les populations, y compris le maire de la localité. Alors, euh, sans doute un, message à l'endroit de ces populations-là Oui, c'est juste que de revenir un peu à la sérénité et puis les, appeler à accompagner ce projet qui, comme je l'avais dit lors de la concertation, est d'utilité publique. D'ailleurs, une déclaration d'utilité publique est en cours de préparation parce qu'il y va de l'intérêt général, il y va de l'intérêt des populations dakaroises qui, autrement, auront énormément de difficultés à se déplacer, voire l'impossibilité de se déplacer dans les conditions actuelles. Et c'est sur place que se construit euh, le pont de euh, l'émergence. Exactement, qui est aussi un élément du projet, parce que c'est la route des Niailles qui va abriter une bonne partie sur 7 km, euh, disons, ce projet de BRT, qui va, rappelons-le, de la gare de Dakar jusqu'à la mairie de Guédiaway sur un tronçon de 19 km. Merci, Monsieur Anoukam, directeur général du CETUD, qui venait nous parler de ce projet euh, pôle d'échange, euh, de sa structure, avec euh, cette annonce faite de dégarpissement concernant 160 maisons, ce qui n'est pas encore le cas. Merci, Monsieur Thiam. L'Université Alun de Bombay honore ses meilleurs étudiants. Ils sont 53 à s'être distingués dans leurs différentes unités de formation et de recherche. Du matériel informatique et des livres leur ont été remis à Ramdawa. C'est au terme d'une sélection rigoureuse que l'université à de Bombay a attiré du lot de ses étudiants, 53 promus, ceux qui ont rempli avec brio les critères exigés. À savoir le passage en classe supérieure aux sessions normales et sans redoublement, la meilleure moyenne annuelle par niveau pour choisir et primer le meilleur étudiant en licence 1, licence 2 et master 1, d'une part, et les premiers et deuxièmes étudiants de licence 3 et master 2 d'autre part. Dans ce lot, la majorité a une moyenne supérieure à 14,5. Trois ont même élevé davantage la barre avec des moyennes de plus de 16 sur 20. Les statistiques révèlent aussi que le tiers des récompensés est constitué de filles. Madame Dambaye est un modèle à suivre, c'est un très bon exemple. On trouve une sorte de complicité entre euh, la direction, les enseignants, le personnel administratif et technique, les étudiants qui travaillent tous ensemble donc, pour le bien de cette université. Donc c'est un modèle à imiter et à encourager. Pour servir de modèle à ces jeunes, trois parents ont été choisis de la sphère universitaire, les professeurs Marie Fatou Soussar et Elage Issa Sall. Il n'y a pas, je crois, meilleure récompense pour un enseignant, chercheur, que d'avoir la reconnaissance de ses pairs et accepter de nous prendre comme modèle euh, pour une génération d'étudiants. Euh, cela nous, montre que nous avons encore davantage de responsabilités. Mais nous sommes surtout très fiers de voir que dans cette cohorte, il y a eu beaucoup de femmes qui ont été là, l'école était aussi aux premières places. L'université de Bambay, comme on l'a dit tout à l'heure, est une université modèle, une université de développement. Ça me rappelle un peu les universités land grandes aux États-Unis, où quand l'université est créée quelque part, ça crée aussi une ville. Et il y a quelques jours, j'ai entendu un responsable de l'université de Bambay faire un entretien avec un journaliste et disait que la ville de Bambay a commencé à se développer autour de l'université de Bambay. En plus des diplômes d'excellence, ces étudiants rentrent avec des, livres et du matériel informatique. L'université compte aussi honorer ses enseignants qui sont distingués au CAMES, de même que le personnel administratif. Fiara 2016, la 17e édition de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales a été officiellement lancée hier. C'était sous la présidence des ministres de l'Agriculture et de l'Élevage. Le premier nommé a réaffirmé la volonté du gouvernement d'atteindre l'autosuffisance en riz en 2017. Cette présente édition de la FIARA est placée sous le signe de la maturité et de la mobilisation des ressources. Plus de 800 exposants ont répondu à ce grand rendez-vous agricole. La 17e édition de la FIARA est placée sous le signe de la maturité de la mobilisation, parce que pour vous dire, nous avons des exposants qui nous viennent euh, de la Guinée équatoriale, de l'Égypte euh, et de l'Algérie, sans compter ceux qui d'habitude venaient de l'Europe, l'Allemagne, la France, la Belgique, qui sont bien représentés. Et le Brésil, qui cette année-ci est notre hôte d'honneur. Une bonne visibilité du riz local a été constatée tout au long des stands, ce qui fait dire au ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural que le Sénégal sera bel et bien autosuffisant en 2017. Une telle manifestation nous permet de jauger pour ce qui est de la matérialisation de notre objectif. Oui, en parcourant les différents stands, nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que le Sénégal produit plus et mieux. Produit plus et mieux parce qu'il y a une grande diversité des produits, produits plus et mieux, parce que nous avons des produits de qualité, produits plus et mieux, parce que nous avons des emballages de qualité. Il faut donc s'en féliciter, s'en réjouir. La FIARA donc, en tant qu'instrument de jauge de la mise en œuvre de notre politique, nous a confirmé que nous sommes effectivement sur la bonne voie. Son collègue de l'élevage n'a pas aussi manqué d'afficher son satisfaction. Ce que j'ai vu me donne beaucoup de satisfaction. Cette année, si vous vous souvenez, pour la journée de l'élevage, nous avions choisi comme thème l'autosuffisance du Sénégal en mouton. Et il se trouve que tout ce que nous venons de visiter, en tout cas on n'est pas encore arrivé au niveau des bovins, c'est surtout l'élevage ovin qui a été exposé et très bien exposé. Vous avez vu les très beaux sujets que nous avons trouvés sur place et qui nous donne vraiment beaucoup de satisfaction parce que dans le cadre de notre programme d'autosuffisance, nous envisageons d'aider les éleveurs de moutons à déstocker, donc à nous donner des, des mâles que nous devons introduire au niveau des troupeaux traditionnels. Cette foire internationale de l'agriculture et des ressources animales montre que l'agriculture sénégalaise est sur la bonne voie. Le directeur général du programme d'urgence de développement communautaire PUDC a effectué une visite à Mbao. Il a pu mesurer l'état d'avancement des travaux de 5400 poteaux béton. Le matériel est destiné à l'électrification de 406 villages d'Amsila. L'électrification rurale constitue un volet important dans le programme d'urgence de développement communautaire. Au total, 406 villages vont être électrifiés cette année pour constater l'état d'avancement des travaux, le directeur général du PIDC a effectué une visite en Mbao. Dans cette entreprise, 5400 poteaux béton sont en train d'être réalisés. L'entreprise, aussi bien au niveau de, au point de vue organisationnel que méthodologique, en tout cas, s'acquitte bien de la tâche qui lui est confiée. Le volet électrification rurale euh, permettra de donner de l'énergie, du courant électrique en milieu rural à plus de 406 villages. Euh, les 406 villages euh, sont répartis en deux, lots parce qu'il y, a des sites qui sont isolés, qui sera difficile d'électrifier sur la base du réseau existant. Pour ces sites-là, pour ce nombre de villages à peu près de 156, nous allons euh, faire l'électrification par voie solaire. Mais pour les pour l'autre partie, les 250 autres villages, nous allons utiliser donc la technologie d'extension de réseau. Le projet va permettre à 27 000 ménages de disposer d'électricité, 92 forages multivillages et 100 infrastructures de santé seront aussi raccordées grâce à ce programme. Sur le terrain, les ouvriers s'attellent bien à la tâche pour livrer les travaux au plus tard à la fin du mois de mai. On a un stock de 700 poteaux parce que nous sommes en train un peu de monter en charge progressivement. On a actuellement une capacité de 60 poteaux et euh, on va aller euh, vers une capacité de 110 poteaux progressivement. Pour le projet PUDC, on utilise les poteaux de 12 AR 400, les poteaux 12B 1250, les poteaux 12B 1600 et les poteaux 12B 2000. Le PUDC vise à contribuer à l'amélioration de l'accès des populations rurales aux services sociaux de base à travers la mise en place d'infrastructures socio-économiques. L'objectif est d'améliorer significativement les conditions de vie des populations et de favoriser l'implication des acteurs locaux dans le développement économique et social de leur localité. La commission de régulation du secteur de l'électricité monte au créneau avant l'application des prochaines conditions tarifaires de la Sénélec prévues pour la période 2017-2019. L'organisme a initié une consultation publique avec les différents acteurs du secteur afin d'aboutir à des propositions qui devraient prendre en compte le pouvoir d'achat des consommateurs. Pabou Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, la Commission de régulation du secteur de l'électricité se réunit. Elle engage la réflexion sur le processus d'élaboration des nouvelles conditions tarifaires de la Sénélec pour la période 2017-2019. En substance, et comme à chaque fois, il s'agit de trouver des réponses à une interrogation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le coût de kilowattheure le plus bas possible et cette question concerne tout le monde, à savoir l'État, Sénélec et l'ensemble des consommateurs. Donc, nous tous qui sommes réunis dans cette salle. Les premières conclusions qui seront publiées par la Commission de régulation lors de la seconde consultation publique permettront à coup sûr d'avoir un début de réponse à cette équation. Le bilan d'exploitation 2014-2015, les niveaux d'investissement, la qualité du service, entre autres points, seront abordés lors de cette rencontre. La Sénélec a tenu à rappeler que le service s'est beaucoup amélioré avec une baisse considérable des heures de coupure. Il faut retracer ce qui s'est passé ces dernières années. Comme on l'a constaté depuis 2012, une nette amélioration de la qualité de service a été ressentie quand on se souvient que nous sommes partis de 900 heures de coupure en 2011 à environ 80 heures de coupure maintenant. On se souvient également qu'en 2011, les consommateurs étaient coupés pendant 11 heures par manque de production et qu'aujourd'hui, le vocable de manque de production a disparu de notre vocabulaire, toutes les coupures étendues à des pannes sur le dernier kilomètre, comme aimerait le dire le décès, c'est-à-dire au niveau de la basse tension et de la moyenne tension. Pour renforcer le capital énergie du pays, l'État travaille au développement du mix énergétique. Dans cette stratégie d'introduction du mix énergétique, il y a la place réservée aux énergies renouvelables qui est une place importante, j'allais dire, prépondérante. L'État nous a fixé l'objectif de porter euh, cette part des énergies renouvelables d'ici 2017 à 20% même 30%, j'allais dire. Euh, et nous y travaillons. À la rencontre, on prépare les associations de consommateurs, les partenaires et tous les acteurs intervenants dans le secteur de l'électricité. Quelle orientation, quelle stratégie pour promouvoir la bonne gouvernance et l'intégration africaine La problématique est au centre de l'atelier de validation technique de la lettre de politique sectorielle initiée par le ministère en charge de ces questions. Le point avec Fatou Diouf. Une fois validée, cette lettre de politique sectorielle de développement va permettre au ministère de l'intégration africaine, du NEPAD et de la bonne gouvernance d'accroître les compétences dans la gestion axée sur les résultats de développement. Le défi du ministère, c'est de traduire en actes concrets cette vision que le chef de l'État euh, a, a sur les questions de gouvernance et les questions d'intégration. Évidemment, ça passe inéluctablement par donc euh, l'élaboration d'une lettre de politique sectorielle. Ainsi, pour la période 2016-2020, le département a pour ambition de promouvoir la bonne gouvernance dans un Sénégal intégré à une communauté africaine orientée vers la prospérité. Cela nécessite des orientations stratégiques bien définies. Nous aurions une vision une vision claire de ce que nous voulons faire en matière de promotion de la bonne gouvernance, en matière d'intégration, mais également en matière d'appropriation des programmes du Népal. Le suivi et l'évaluation de la lettre de politique sectorielle de développement 2016-2020 seront supervisés par un comité de pilotage. Tous les acteurs des départements ministériels impliqués dans des programmes de gouvernance et d'intégration africaine ils joueront un rôle primordial. L'émission Le Point reçoit ce soir le professeur Alun Sall, juge à la Cour de la justice de la CDAO, il vient d'achever une mission d'information et de sensibilisation sur les domaines de compétences euh, de l'institution. Selon lui, la Cour ne s'occupe que de droits euh, humains. Les aspects liés à l'intégration et les questions économiques sont aussi du ressort de la Cour. Nous l'écoutons. Euh, notre compétence majeure, enfin celle pour laquelle on nous connaît, la plus médiatisée, mm. et, il faut le dire, la plus mm. politisée également, euh, c'est le contentieux de la violation des droits de l'homme, c'est vrai. Mais ce qu'il faut savoir, mm. c'est qu'à l'origine, nous n'avions pas vocation à nous intéresser à ces questions-là. À l'origine, nous étions et nous restons encore, et c'est le sens de la mission, c'est de rappeler cela, nous restons une juridiction chargée d'interpréter et d'appliquer les normes de l'intégration. C'est le cadre de l'organisation, un peu de l'intégration De l'intégration, concrètement, ça veut dire Absolument. Ça veut dire que nous sommes, nous avons vocation à nous saisir des questions relatives, par exemple à la liberté de circulation des hommes, des capitaux, des marchandises. Mm. Nous avons vocation à nous saisir des questions relevant du droit de la concurrence. Mm. Par exemple, nous avons, question, nous avons vocation à nous saisir des questions relevant de la liberté d'établissement. Mm. Est-ce que quand... on est dans le domaine économique. Hein. Oui, économique, oui, mais je, me rappelais tout à l'heure que mm. l'objet de l'organisation, c'est-à-dire sa spécialité, c'est le domaine économique et monétaire. Et donc tout ce qui va avec ce qu'on appelle les facteurs de production, mm. qui vont avec, avec la liberté de circulation, les politiques communes, etc. C'est un champ virtuellement très vaste. Malheureusement, on oublie un peu trop souvent. Mais il faut savoir qu'une question de concurrence qui oppose deux entreprises sénégalaises, ou une entreprise sénégalaise et une autre, et virtuellement, n'est-ce pas, il faudrait en rapporter la preuve, susceptible d'être portée devant notre prétoire. Et puis Dakar abrite la deuxième rencontre des membres du réseau des radios d'Afrique de l'Ouest pour l'environnement, RERAO, organisée par le comité d'administration du réseau avec la collaboration de l'UICN. La rencontre vise à consolider le réseau afin de sensibiliser davantage les communautés locales sur les enjeux de l'environnement. Fantabachi. La radio communautaire comme vecteur de protection de l'environnement. L'idée a été émise en 2014 par ces acteurs. Ils partagent la même préoccupation, à savoir renforcer les actions entreprises jusque-là afin de relever les défis environnementaux actuels. Nous sommes à une époque qualifiée de cruciale pour l'avenir de la planète. Déjà, les scientifiques parlent de points de basculement ou points critiques pour certains écosystèmes signifiant ainsi que ces écosystèmes ont atteint un stade de dégradation n'offrant plus de possibilités pour un retour à un, état de fonctionnement normal. Cette situation nous interpelle tous. Nous devons aujourd'hui imaginer les possibilités de collaboration entre les institutions, les ONG, les services et gouvernements pour apporter notre contribution à cette question. Après une année d'action, le réseau se retrouve pour la deuxième fois cette rencontre se veut un cadre de travail et de réflexion. Il est attendu des membres du réseau des propositions concrètes de solutions durables à la problématique de l'environnement. Pour assurer une gestion durable des ressources naturelles, l'effort à produire doit être celui de tous. Chacun à son niveau est appelé à redoubler ses forces et son engagement. Dans ce souci, de mobilisation multi-acteurs, les médias ont la capacité de sensibiliser et au besoin de mobiliser l'opinion publique au niveau national, local et international. Le secteur de la radio peut particulièrement apporter une contribution importante, surtout en zone rurale, une fois doté de moyens nécessaires et en travaillant en synergie. Les enjeux sont donc énormes et il nous faut les maîtriser. Cela appelle de notre part de nouvelles stratégies de gouvernance. Pour cela, il nous faut adopter une démarche concertée et participative. Dans ce cadre, l'accès aux informations exactes, pertinentes, fournies en temps réel nous paraît essentiel pour assurer la nouvelle trajectoire sobre en carbone et atteindre le développement durable. De nombreuses perspectives seront dégagées au cours de cette rencontre, perspectives relatives à l'adoption d'un plan annuel d'action, à la production d'émissions radiophoniques, à la formation des membres du réseau et à la tenue de sa première assemblée générale. Ces acteurs se sont aussi engagés à amener les décideurs à placer l'environnement au cœur des politiques des États. Nettoiement, euh, couche de peinture, le boulevard général euh, de Gaulle fait sa cure de jouvence. L'axe qui abrite le défilé militaire et civil prévu pour ce 4 avril est en train d'être remodelé par plusieurs ouvriers sur les allées du centenaire. Le reportage d'Arminata Bengfala. Le boulevard Général de Gaulle, ex-centenaire, fait peau neuve à quelques jours de la célébration de la fête de l'indépendance. Du rond-point Triangle Sud à la place de l'obélisque en passant par les ronds-points de Centenaire, les signalisations routières ont été bien repeintes. Des ouvriers s'activent dans le pavage des artères. Bref, l'heure est à la dernière touche pour livrer les travaux à temps. Ça fait trois jours. Aujourd'hui, c'est le troisième jour. Et on va terminer d'ici demain, Inch'Allah. On envisage d'aller au rond-point parce qu'il y en a un jardin. Nous voulons faire aussi comme ça, parce que tu sais, on veut que la fête soit belle. À la place de l'obélisque, une majestueuse tente aménagée au pied du monument attire l'attention des passants. Elle abrite la tribune présidentielle. On est dans les phases de finition. Euh, la tribune euh, qui est sous, sous le chapiteau présidentiel est une tribune de 500 places avec une loge présidentielle de 30 places. Euh, cette, année-ci, on a, on a fait une innovation avec euh, la toute, dernière tente qui a été, euh, qui a été créée partout dans le monde. Ce, type, de, tente, on l'appelle une arcum tente, du fait de son forme en arc. Neuf autres tentes, en plus des deux chapiteaux, devant accueillir la presse et la musique militaire, ont été installés de part et d'autre du boulevard. J'espère que le samedi au soir, on va tout lever, Inch'Allah. On est sur les phases de finition. Il reste juste la décoration, les moquettes, la décoration et la mise en place des chaises, euh, et la mise en place des moquettes des allées rouges euh, et autres. Mais on peut dire qu'on a, presque fini. Hein. Ces travaux entrepris dans le cadre de la célébration du 4 avril, fête de l'indépendance, sont bien appréciés par les riverains et autres passants. Ça, c'est des travaux vraiment magnifiques. C'est des travaux et que tout le monde apprécie. Vraiment, nous, nous, nous, apprécions vraiment ces travaux. Hein. et vraiment, que, ça se bien et que ça continue, l'aménagement et tout. La fête nationale, vraiment, c'est un grand plaisir pour un pays comme le Sénégal. On vient de sortir d'un référendum. Et voilà, en fait, c'est l'indépendance. C'est une bonne chose. Pour les ouvriers trouvés sur place, c'est l'occasion de lancer un appel pour un bon entretien du décor. Si on se tue pour notre pays, c'est aux populations de veiller sur notre patrimoine. C'est ça, parce que ça, c'est un patrimoine national. Nous voulons qu'après, il y a un suivi. Parce qu'on ne peut pas dépasser des centaines de millions et même pas un mois, deux mois, ça, ça Le boulevard Général de Gaulle va renouer le 4 avril prochain avec son traditionnel défilé civil et militaire, un événement très attendu par les populations, car depuis quelques années, elles ont eu droit à une cérémonie de prise d'armes. Et ce sera le premier, plutôt le deuxième défilé civil et militaire sous l'ère Macky Sall. Et du coup, la place de l'obélisque prend des couleurs. Quelques jours de la fête du 4 avril, le décor se précise tentes, tribunes et autres matériels occupent les lieux. Les derniers réglages se font sous la supervision du commandant de la zone militaire numéro 1. Nous sommes, je le rappelle, à quatre jours du défilé civil et militaire qui marque le 56e anniversaire de notre indépendance, Naïs Nyamani. La place de l'obélisque fait sa toilette. Depuis quelques semaines, des ouvriers et des soldats s'activent pour rendre le lieu accueillant le jour de la fête de l'indépendance. Venu faire l'état des lieux, le commandant de zone se dit satisfait de l'avancement des travaux. L'exécution a démarré depuis, euh, depuis le 21 et vraiment nous sommes dans le bon timing. Les choses se déroulent comme prévu grâce euh, à la participation de tout un chacun. Comme vous le savez, plusieurs corps d'État ont été impliqués dans cette organisation. Et vraiment, chacun y a mis du sien, au point qu'aujourd'hui, il ne reste que de petits arrangements. Donc tout se passe très bien. Pour l'édition 2016, des innovations ont été faites pour mettre plus à l'aise les invités. Nous avons aménagé suffisamment de places, en tout cas beaucoup plus que d'habitude, pour permettre à chacun de pouvoir s'asseoir et suivre le défilé. Nous aurons au moins 2000 places assises, au minimum, et puis euh, des abris qui vont être aménagés aussi. Le commandant de zone promet d'ici samedi que la mise en place sera achevée pour un défilé du 4 avril réussi. 1873 civils vont défiler ce 4 avril à côté des unités aériennes, navales et motorisées. De la simple prise d'armes à l'année dernière, on passera en défilé grandiose. La DIRPA fait face à la presse pour expliquer les dispositions prises pour ce 56e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Le contexte sécuritaire africain et mondial justifie le choix du thème de cette année. Éclairage dans ce reportage de Yvette Seine et Abibou Maïa un défilé grandiose ce 4 avril. 1873 civils vont marquer le pas aux côtés des militaires qui promettent de sortir les grands moyens des unités aériennes, motorisées et navales pour donner un cachet social et populaire à ce 56e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Nous avons euh, un défilé qui va rassembler l'ensemble des militaires, des civils et les paramilitaires. Donc cette année, nous avons 1873 civils qui vont défiler. Nous avons aussi 3066 militaires et paramilitaires qui vont défiler. Donc tout cela constituera un défilé grandiose dans une synergie parfaite, donc euh, sur instruction bien sûr du commandement. Le défilé va être ouvert par les majorettes, n'est-ce pas, de la cathédrale Notre-Dame. Et il y aura un timing qui sera réservé, n'est-ce pas, à chacune de ces entités le timing est là-bas, il sera respecté. S'il n'est pas respecté, on, fait libérer calmement les, les, Cette année, le Sénégal n'a pas cherché trop loin un thème, car le contexte sécuritaire africain et mondial est un élément déterminant pour sensibiliser. Et les médias vont y jouer leur partition. Le choix de ce thème répond en fait à l'actualité aujourd'hui. C'est à la situation sécuritaire dans notre sous-région, dans notre région, dans le monde, devais je dire. Donc encore une fois, le choix de ce thème-là qui était déjà celui de la journée des forces armées, répond aux exigences d'une synergie à développer entre vous et nous, entre vous, populations et nous, forces de défense et de sécurité. En fait, la remise en question, n'est-ce pas, de nos attitudes peut-être antérieures et à développer une attitude nouvelle, à développer un citoyen, euh, passez l'expression, peut-être nouveau en ce sens que pas seulement un pays de la Teranga, mais aussi un pays, certes de la Teranga, mais attentif à tout ce qui n'est pas valeur, c'est beaucoup plus une sensibilisation que de montrer les moyens que nous avons pour encore davantage raffermir notre sécurité au niveau de notre population. Comme chaque année, à la veille du 4 avril, une retraite au flambeau décentralisé à Dakar et sa banlieue est prévue, sans compter les autres régions du pays, pour donner à la fête de l'indépendance ses lettres de noblesse militaire. Il a une fonction de formation des jeunes à la citoyenneté, au patriotisme et à toutes ces valeurs qui cimentent une nation. Le service civique national ce soir, dans la série de reportages consacrés à la fête de l'indépendance, coup de projecteur sur cette institution qui recrute des volontaires âgés de 18 à 35 ans depuis sa création en 1961. Anne-Marie Gomis. La troisième tentative aura été la bonne. Après les expériences de 1961, et 1965, le service civique national a pris corps sur sa forme actuelle en 1998. Le service civique national a été créé par une loi 98-25, je crois, du 7 avril 1998. Au départ, c'était logé au niveau de la primature. Ensuite, ça a été délogé finalement au niveau du ministère de la Jeunesse. Et depuis lors, il est logé au niveau du ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne. Face à la montée de l'incivisme, les autorités ont cru bon devoir créer une structure à même de participer au réarmement citoyen et au redressement des valeurs. Le service civique national a pour mission essentielle d'éduquer, de former des citoyens responsables engagés dans la construction citoyenne. Pour y accéder, plusieurs conditions sont à remplir. On envoie une circulaire aux différentes régions et départements pour qu'à ce niveau, les les inspections départementales et les inspections régionales fassent des propositions de présélection pour recruter nos volontaires. Par exemple, cette année, en 2016, on a un corps de volontaires qui est en formation actuellement. Il est composé de 104 membres. Il faut au minimum 18 ans. Au minimum 18 ans. Avant, c'était bien axé entre 18 ans et 35 ans. Mais maintenant, on est même en train d'envisager de changer cette loi-là pour l'ouvrir à plus de populations. Depuis sa création en 1961, le service civique national a contribué à la formation d'un peu plus de 000 jeunes sénégalais. 197 volontaires formés déjà dans les différents domaines. 3197. Hein. Actuellement, on a un contingent de 104 en formation au SNEPS HS. E on est dans tout, même il y a des, volontaires au niveau de la pêche, au niveau de la construction citoyenne, au niveau de tous les départements qui ont besoin, même des vigiles nous, on est prêt à former tout le monde en collaboration avec eux, parce que nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est cette formation civique et morale qu'on dispense en amont de la formation professionnelle. Parce que dans cette formation, il y a une partie civique, mais également il y a une partie professionnelle. Face au phénomène grandissant de l'immigration clandestine, le patron du service civique national invite les jeunes à rester au pays et à se faire former. Notre objectif majeur, notre effet majeur, c'est d'atteindre la cible jeune d'atteindre la cible jeune avec des messages responsables. Parce que je sais qu'il est très possible pour la jeunesse de réussir dans leur carrière, de réussir dans leur vie. Mais dans un premier temps, il faut qu'il y croit. Il faut faire croire à la jeunesse que c'est possible. Et je crois que notre mission est, de faire cela. La jeunesse que j'ai vue ici au Sénégal, c'est une jeunesse euh, vraiment très engagée, qui a du potentiel. ce qu'il reste à faire, c'est de les encadrer, de les aider de les former et de leur montrer la voie. Et c'est ça notre mission. Une mission difficile certes, mais qui reste dans les cordes du service civique national. On parle peu d'elle et pourtant c'est l'un des dispositifs les plus stratégiques de l'armée sénégalaise. La base navale d'Elenkin, nichée au sud du Sénégal, dans le département d'Oussouille, elle est le sanctuaire des commandos marins. Ils assurent la sécurité tout au long, le long du fleuve Casemance et sur la façade maritime. Notre reporter Abdoulaziz Ban a intégré le corps d'élite le temps d'une petite balade dans les eaux. Reportage. Il est 7 heures, le soleil se lève sur le fleuve Casamance. Au même moment, les commandos marins démarrent l'opération de sécurisation du fleuve, une mission qui se déroule en trois phases. La première, c'est contrôler le fleuve Casamance et ses affluents, ses affluents, c'est-à-dire tous les ballons qui, font, qui mènent au, fleuve. C'est ça que nous avons à contrôler. Et l'autre mission aussi, c'est euh, sécuriser les trois navires. Aline Citoye, Agen et Diamond. Participer à la surveillance des eaux maritimes et fluviales dans la zone maritime sud. Concrètement, cela se traduit par euh, le contrôle de zone dans le domaine fluvio-maritime tel que défini par euh, le commandement de la zone militaire numéro 5. La sécurisation de cette frange maritime, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que ça présente des avantages, frange maritime, en termes de mobilité et aussi en termes de désenclavement. Pour la